20 décembre vingt 20 décembre 2001 tey ji ñaar fukki fan ci weerum décembre atum 2023 tolloo ak ñaar fukk ak ñaari at ginnaaw bu Léopold Sédar Senghor génnee àdduna moom mi nga xamante ne moo fi newoon njiitum réew bu njëkk ci réewum Sénégal diggante atum 1960 ba atum 1980 mu woon fi tamit ñu ràññee woon lool ci wàllum aada ak cosaan ngir fateliku bobule bis ay mbokam xaritam sopem ak njegenayam amal nañu cérémonie d'hommage fole ci musée des civilisations noires ci lolu tamit dikat nan ci dundu ki di l'épaule cedar Senghor lu ko tambali bi muy tout tànk fole ci Djilor Djidjack Dakar ba ci France. Je suis un tout petit peu gêné parce que j'aurais dû souhaiter vous souhaitez la bienvenue chez moi, mais c'est vous qui me souhaitez la bienvenue. Derrière moi, j'ai Senghor. Parce qu'hier, on a fait une grande exposition sur Senghor. Devant moi, j'ai une communauté de Serein. À ma gauche, j'ai le président Senghor, qui est le président de mon conseil d'administration. Et comme je n'ai pas tellement envie d'être viré en ce moment, je vais lui remettre la parole pour que nous continuions plus Président du maire, Madame, Messieurs, je voudrais, au nom du musée, bien entendu, d'abord vous souhaiter la bienvenue dans cet espace, qui est un espace qui répond d'une certaine manière au nom de saint gorge

boobu ngi siècle ñu siècle ci ci civilisation noire ñuy dem di dem ba année cinquante yi <coughs> <coughs> année cinquante cinquante cinquante artistes yi écrivains yi intellectuels yu ñuul ñëpp yu ñuul France ak Rome 1956 1959 xelaat boobu gën a dëgër si boppu africains yi si si si Senghor jiite leen organisé tamit festival mondial des arts nègres 1966 ci bu ñu defee festival boobu ñu ciy

Abdoulaye Wade dafa bokkoon ci réunion yooyu muy wax 1957 1959 comme Baye gars yi doon def Wade fi la ko fekkee donc xalaatu Senghor boobu Wade jël ko moom itam dafay def mu poser première pierre au musée des Civilisations noires Macky Sall ñëw nekk seen taalibe ñoom jaar fi ñu jaar jàng li ñu xam bokk ci xalaat yi mooy xalaatu jëmale nit ku ñuul ca kanam fexe ba mu nekk koo xam ne dañ ko respecté ci àdduna bi Macky Sall ne moom dina tabax musée bi mu tabax ko ak des chinois yi jàppale ko ci mu inauguré ko le 6 décembre 2018 6 décembre bi ñu génn barki démb mooy cinquième anniversaire bi dañ koy feete nag anniversaire bi fii ba at mi di jeex yàlla def

seen ñëw fii tey jógee Djilor dafa nekk lu am solo pour musée bii leen accueillir lu am solo ci Sénégal lu am solo ci Afrique ndaxte dañuy sargal en même temps ñoo xam ne ñi seen xalaat ak seen jëf ak seen liggéey luy màggal Afrique lu màggal nit ku ñuul mais ñoom seen gis-gis dafa weesu Afrique ak nit ku ñuul xam ne dañuy gis àddina bi àddina bi na leen nit ñu mën a nekkee si biir àdduna bi dund ku nekk respecté sa morom ñuy jëf di jàng di xam di jëmale réew mi kanam loolu la Senghor liggéey ak ñi mu àndaloon tam loolu la liggéey euh, dina am ay témoignages yu fi def di ngeen di ngeen ko dégg en maa ngi gërëm comité bi di ñaan ak ñëpp di gërëm communauté bi jógee Djilor di gërëm mairie mairie Dakar nga xam ni jàpp na si bu baax a baax. Avec partenaires saluer madame le maire Soham Bardini, qui est là parmi nous qui est sérère de l'Admengue. <laughs> c'est une blague hein? et toute l'équipe autour dont madame madame la générale <laughs> je vous salue donc toutes et tous c'est de la bienvenue et nous espérons que nous allons passer ensemble une journée à la mesure du parrain de Léopold Sédar Senghor. Une journée de prière, bien entendu, une journée également de capitalisation de tout ce qu'il a fait et de projet sur ce que nous pouvons faire en nous fondant sur ce que lui il a accompli pour euh, le Sénégal, pour l'Afrique, pour le monde, à partir de sa culture,

ku ko xam xam ni histoire ak archéologie loolu la jàng loolu la def soxlaam boobale mais itam ki mu nekkal si wetam euh, muy abdoulaye racine sengor alors racine sengor defe naa tey bu nu dee jàngale sengor sax ci université yi ak ci école yi bokk na ci ñi xalaat nan la ñuy le programme sengor

muy ay moomeelam ñu waroon ko jaay wanteer ko bi ko Macky Sall déggee dafa jóg yónni ministre am defe naa itam directeur xam na ci dara mu ngi fi toog ñu dem génn ay million yu bare bare bare bare bare ba indi alal jooju alal jaa fii ci kër gi te xam nga ne ñun séeréer ndono ku ko jaay doo fekki ci ko sosoon allah loolu saaga la ci moo tax bu doon sengoor di fi bàyyi ay nag comme ni ko najaayam tokkowaal yi defee woon bi tokkowaal yi gaañoon nag yi mu fi bàyyi woon am na ñu ko jëloon ndonoo ko tey nag sengoor bàyyilu ay nag mais bàyyi woon na fi ay jumtuwaay ak yeneen objet dem jaay ko dafa mel ni ñun nga doon sànni hmm? xeetu xeetum séeréer moo tax bi ko mag Macky Sall defee euh, ñu bind ko la itam remercier ko démb tontu na ci lettre bi di xamal waa Djilor waa Joal askanu Senghor waa Jaxaw ne lépp lu Sénégal war a def ci Senghor moom taxaw na pour def ko te dara ci manqué donc monsieur directeur

ndax Senghor doon nag ko xamante ni waruñu ko fàtte li mu def ba tax sunu réew bi mu juddoo ba tey def nekk état am indépendance yàlla def na jàmm ñun ñëpp ñu booloo joolaa bi séréer bi mankañ bi saraxolle bi tukulóor bi wolof bi lébu bi kenn mësuñu déggal loo xamante ni xew na ci neen réew te loolu <coughs> gannaaw yàlla ci kàttanam Senghor ko dox ak nit ñu baax ñu fi dox na ko ak waa Touba dox na ko ak waa Tiwaawan dox na ko ak waa Njaasaan dox na ko ak waa Kaolack Ñaseen dox na ko ak jàng bi mu loolu moo tax am na ñu bari ñu ñëwee Sénégal naan dëkk bi mos sa am coup d'état dëkk bi mos am trouble ethnique loolu defe naa ne buñ ko amee tey ki tax ñu am ko ci kattanu yàlla fàtte ko waral moo tax xale yi jiloor yi nag ànd ci ak yëpp troisième d'enfance ñoo ni dañoo bëgg gën xam Senghor gën a xam Senghor ñu ne nañ fexe ak bu jot ñu am benn événement bu ñu ko waxee ñun ñi doon seeni mag ñoom ñu leen daan ci dox liñ ci mën am na ñoo xamante ni xëy na yaakaar yi wone ci ñetti weer mën nga ci organiser lu mel ni ci yi ñi ci war ko organiser te bëgg nañu nag ci kattan yàlla ak bu jot ñu am lu ñuy fàttali ko Senghor mais fàttali itam sengoor fàttali ko Senghor itam xëy na du yem rek Joal ak Djilor ndax mu ngi fii tëdd belleer moo tax bi mbir mi amee itam ñu dem fekki maire Ndakaaru ne ko yàlla yi dafa def sengoor ci sa capitale ci sa maire yi ci sa ville lañ ko denc bëgg nañu lépp luñ ci war a def nga yëg ko biñ ko waxee loolu moom maire bi dafa ne du ma ko yëg rek yëm ci dinaa ci jàpp dinaa ci gunge dinaa ci def lépp moom aussi am na ko fi teewal bëgg naa boo delloo ci seen conseil municipal ci turu waa Djilor ci turu waa Joal ci turu waa Jaxaaw ci turu Njoboor Tuyande ko di seen bu fi teew

ñu ngi ciy xalaat sax ba xool fi Senghor doon waaye kaltaama ak kam jàmme nan lañuy ñuy def def fa loo xamante ni dina doon espace boo xamante ni ku dugg senegaal bëgg a faa dem seeti ko ñu ñaan nag yàlla yooyu yëpp mébét yooyu yàlla may ñu kàttan may ñu wér ba nu mun ko yeggali ngir seen donc bu ñu jógee fii nag tey dañuy dem fanaani Djilor incha allah ci programme bi bu ñu yéegee itam Djilor di dalal nit ñi yaa ngi këram noppalu ak jigéen yi jóge Djilor ak yaayam ci guddi bi dañuy delluwaat dëjaat maam Senghor comme ni ñu ko defee woon bi ñu ko fi dencee bu bët setee nag yande doom moo ko fi teewal dafay demaat ci guddi ci suba soosu fi nga xamante ni fa lañ denc doxuwaay ak mam yi laal ñu def li ñuy wooyee misa mooy alors bu ñu paree yooyu yëpp am na benn colloque boo xamante ni dañ ciy waxtaane ak étudiants yi fa nekk ak élèves yi nekk lycée Basile Diomaye Senghor élèves yi nekk lycée Diofior lycée Joal ñoom ñëpp ñu dajale leen am ñu leen xamal kan mooy Senghor bokk na ci Abdoulaye Racine Senghor ñiy toog bokk na ci professeur Ousmane Sène dooroon ñëw mais dafa am réunion ci waxtu bi ñuy wax gërëm itam ñi nga xamante ni ñu gën a jàppale muy parrain yi yàlla def na parrain yi ñi ci gën a bari ay sëtu Senghor la ñii de ay doom amna ku tok ci saal bi Mariane Ndiaye la ay satu fay moo ko jur ay su fay ken buruy juuf moo ko jur ci la kon ko bu jappé ci deju ma dafa melni ni na maam Mariane messi bay nga sa soxla Maria mu ngi fi dakar don adjoint wu maire yen yéen waji lo ngeen xam ko seen doom ngi ci bi jàpp na ci ànd nag secrétaire u maire bi te waa Djilor la comme yéen ñu bu fekkee fii Dakar la yeew Augustin Senghor ci la bokk mais xam ngeen équipe nationale mu ngi football te Augustin mu ngi préparé football coupe d'Afrique te Augustin mooy président woo lu yàgg xamal ma ni miñaan bu ma fa nekkee ak yow boo fa nekkee dafa mel ni benn Ogisseira, Kiko Diu, Fredo Senghor. donc moo tax mu ne ma délégué naa la ndax yow suma cousin nga yaay président exécutif comité bi mais bu ma fa teewee boo fa teewee itam dafa mel ni man maa nga waaw Augustin itam ñu ngi koy jël Jean Baptiste Sànq la fi jógee ak ñun ci ci cimetière Jean Baptiste Diouf mooy maire Grand Dakar Jean Baptiste itam sët la ci Senghor donc dafa mel ni tey jii Senghor liggéey bi mu fi def tax na ci banqaas yu bari ay doomam ay sëtam ñu ngi ci biir Sénégal di jàppale état Sénégal pour que mu gën a dem ci kanam am na ci kenn itam boo xamante ni kenn mënu ko fàtte ndax soxaam Elvardini ñëpp xam nañ ni séeréer la bu juddoo ak mel njobootu soxaam ak njobootu Senghor te Djilor dañoo duggalante yàgg na ba tey ji sax loolu am na ci kenn koo xamante ni seetu Senghor la mu ngi sëy ci njobootu soxaam mu ngi fi toog Koura Fall mooy yaayu malik Fall yaayu malik Fall kura boobu ak sama papa ak Kembouri bi jur kale yaayu kale toog ñoo bokk benn waay benn ngeen xool ni mbir yi amul ci erreur so xam xam naa ne sa yaram tellement demeewul noonu mais malgré tout ñëw ndax yow itam ci kër gi nga bokk ci njaboot gi nga bokk mais doonoon itam meeru Dakar ñoo ngi wàcc sargal soxam ci fan yi di ñëw en tant que ancienne maire am benn maison des femmes bu ko bëgg a tuddee ndax liggéey na ko fi xalaat na ko fi donc encore une fois mon général je suis au garde j'ai parlé en lebu mais je vais synthétiser sinon vous allez me mettre en prison Mamadou Mansour Sek était le dernier Sénégal, général de division des armées bi pas ak Senghor nekkoon aviateur yóbbu na Senghor fépp fu ak mom yu yu ma raconté Il ak Senghor itam bi def man dina ñëw man ko général ko man nga togal nga noppal mu ne ma damay ñëw ak sama jox ak sama secrétaire té loolu la def mu ngi woon cimetière depuis 8h du matin mon général je suis au garde merci encore une fois repos ci biir salle bi ñu fi nekk yépp mu ngi leen mais am na ci ñoo xamante ni il faut ma tudd leen muy ñuy samay sang nag

Monsieur le maire de Dakar ou son représentant, monsieur ou madame le représentant du maire de Joal, euh, le général Mansour monsieur Racine Senor, PCA du musée des civilisations, monsieur le directeur général du musée des civilisations noires, Monsieur le président de l'ADD, Monsieur le secrétaire général, M. Minan Diouf de l'ADD, Monsieur le président de l'ASN à de Gilor, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec un honneur et un immense plaisir que je m'adresse à vous du haut de cette tribune en ma qualité de conseiller municipal, président de la commission des finances et au nom de M. Khalid député maire de la commune de Fimla. Ma joie est d'autant plus grande que je suis né dans le même pays, la même région, le même terroir, la même commune, le même village de Guillotidiac que c'est Tenenguila. Homme dimensionnel, poète, chanteur de la négritude, académicien, défenseur inlassable des communautés noires, le premier président de la République du Sénégal. C'est cet homme que nous célébrons aujourd'hui à travers ce festival des civilisations africaines et des diasporas noires afin de partager son legs tant au plan humain, politique, scientifique, spirituel et surtout culturel avec les jeunes générations. Il disait à ce propos que la culture est au début et à la fin de tout processus de développement. Et tout à l'heure, tonton Mathieu l'a rappelé, il disait aussi que le champ fouette le sang. Donc, à travers ces trois jours de festivités de Dakar à Guilor, nous aurons l'occasion de revisiter les différentes facettes de cet homme de culture qui nous demandait de nous enraciner dans notre culture avant de nous ouvrir à ce monde en pleine mutation afin de pouvoir comprendre et relever, les défis auxquels nous, jeunes générations, sommes confrontés. Voilà tout le sens qu'il faut donner à ce festival que l'année de de Fimla s'engage à perpétuer annuellement en hommage à un de ses plus grands et dignes fils, je vous nommer le président Léopold Sédar Senghor. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les initiateurs de ce festival. Et les remerciements vont à l'endroit de mon oncle, M. Momodou Mian Diouf, secrétaire général de l'Association pour le développement de Gilor Didiak. Mignan, c'est une fierté. Euh, c'est une fierté pour nous, jeunes générations. Ce n'est pas le fait qu'il soit mon oncle, euh, qu'il m'a éduqué, mais c'est une fierté au niveau du terroir, au niveau du pays et au-delà même. Donc, pour sa générosité, sa bonté, un éminent intellectuel. Et à travers vraiment ce festival aussi, nous rendons hommage non seulement à Senghor, mais aussi à Mignac, pour tout ce qu'il a fait pour le terroir, pour l'art commune et l'arrondissement de là Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Ah, merci beaucoup. marie je salue tout le monde. Donc, euh, comme a bien de dit Mathieu, c'est mon oncle aussi. Mian voir l'a dit aussi, tout le monde, on dit souvent en français, personne n'est indispensable, mais pour moi, Mian est indispensable. Il fait partie aussi de mes sources et c'est une référence pour moi. C'est vrai, moi je suis le petit, petit, petit conservateur de la maison de val Des Djawai, je dirais. Des Djawai. Oh, je vais oublier que saint n'a pas construit de maison. C'est moi qui a construit la maison des gens et la maison des jeunes. Il il arrivé à h lui, c'est catalan. Mais le reste, je n'ai pas rentré temps, parce que je vous invite à venir prendre la suite à Guidon. D'accord Et donc, euh, euh, euh, j'ai un oncle qui est par là. Parce que c'est, le est Pas la, même lignée paternelle, le Seigneur, mais c'est une sœur originaire de, de là dans les îles du Salon. Et j'ai un de mes oncles, père aussi qui est là, qui est Boussi je suis chez moi, je suis le petit-fils aussi, avec, avec petit-fils de Léopold Sédar Senghor. Donc, parce que je suis Tabor, Tabor c'est ce qu'on appelle, moi je ne dis pas terroir, je dis le rang d'enfance. Je dis le rang d'enfance. Pourquoi je dis que c'est mon nom C'est parce que Senghor a beaucoup adoré sa mère. Vous savez, comme les Alpolars, les CRR, on les reconnaît toujours par la maman. On ne dit pas le père, mais on est très attaché à la maman donc l'importance de son oncle Wali donc Donc c'est ma lignée maternelle. Vous comprenez pourquoi je m'occupe un peu de l'histoire de Sévres. Après avoir décidé cette en France, je suis rentré pour m'atteler à cette tâche. Et j'ai fait du bénévolat. Mais j'en suis fier. J'en suis fier. Vous avez vu. Donc, en parlant de, la lignée maternelle, je vais juste vous donner une petite citation. Vous savez, à on hommage à la femme et plutôt à sa lignée maternelle et à sa sœur et à sa mère. Mian a parlé de Katamak tout à l'heure. Vous avez vu hein. oh, Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Parce que je suis passionné, j'aime ce que je fais. Et c'est la passion de Cédar. Il a toujours dit Cédar. A dit là, on ne connaît pas le pôle. On a connu le pôle le 25 novembre 1906 quand il a été baptisé. Mais c'est Cédar là. Cédar veut dire quelqu'un qui n'aura jamais de sa vie. Merci, beaucoup. Merci beaucoup. Donc, euh, Senghor, il a parlé, il a rendu hommage à la femme sénégalaise en valorisant la lutte simple, qui va être organisée demain à 10h, d'ailleurs. Quand il dit par exemple dans ses, dans ses poèmes, d'ailleurs avec Gérard, ici Anne-Catherine Senghor, qui est née à Seigneur, moi je suis le président pour la promotion de l'écotourisme dans la région de Fatigue. Je suis aussi propre » Je n'ai pas fait des grandes écoles, mais j'ai une passion et j'ai un savoir que je transmets aux jeunes. Et j'en suis fier. Mais on lutte contre l'immigration clandestine. Parce que là, je suis une flotte vivante et je suis rentré au Bercail pour montrer de l'histoire dans mon aller à dans C'est Pourquoi elle a insisté pour que je vienne Je ne veux pas venir ici, je devais rester à Parce qu'il y a des gens qui vont là-bas aussi. Quand c'est qu'on disait, ton champion corsano, point d'exclamation, tel le parmi de catamarque. Il peut mettre tous ses rigots de sa tête, on voit pas palanquin d'argent. Si vous n'êtes pas serré, vous ne peut pas le saisir. C'est pourquoi derrière, il a dit, pour le lire et le comprendre, allez à la source. C'est quoi on va faire ce soir. Dis-leur, c'est la source. Vous avez vu Quand le champion salon. moi j'enlève corps. Quand vous n'êtes pas serré, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes corps. Quand vous dire le mari, l'époux, moi j'enlève corps. Je dirais le champion de salon. Donc il est fier d'être le champion de salon. Et nos vont dire, Gouroutimou il parle de quel sport la lutte traditionnelle. Et ce n'est pas une lutte business où on gagne des millions. C'est une lutte qu'on pratique au mois d'octobre après la récolte du mille, le céréales local. Et c'est une lutte, il a un prêtre, il a un nom. On l'appelle Loul, comme le village de Loul celle qui est dans notre arrondissement. Et on, évite les, personnes initiées, les garçons et les, ancêtres, les hommes, les femmes, à la place publique. On choisit un lundi et un mardi. Ce lundi s'appelle Ce C'est pas joué par les griots, c'est joué par les locaux. Et lutter aussi entre locaux. Mais les maires environnants sont invités à venir nous assister et voir. Mais n'ont pas le droit d'affronter nos lutteurs. Le lendemain, on n'appelle plus loul mardi, soir, on reprend la limite, on l'appelle la l'apit. Et c'est bon la pratiquer. Et c'est la l'apit, les lutteurs, les maires environnants on a le droit maintenant de lutter contre le littoral. C'est pourquoi elle a dit, tel le palmier de Katamak qui domine tous ses rivaux. Quand ces gens viennent, il y a de la rivalité. Et quand il y a de la rivalité, les champions vont se dégager par catégorie de poids. ils vont se représenter chaque village pour les cendriers traditionnels. Nous n'aimons pas Mais Sanou, sa sœur, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans Parce qu'elle a dit, corps Sanou, il est le mari de Sanou. Mais non, il est le champion de Sanou parce qu'à Sanou, tout garçon sérène a pratiqué la vie simple, traditionnelle. Et la tenue qu'on qu'on appelle en Wolof le Ngem, nous voyons que c'est sérène. Mbap, Allah C'est votre soeur qui vous l'a donné, vous l'avez guidé pour l'honneur de la lignée maternelle. Et quand vous êtes champion, tel est le de on va se prendre pour un arbre au-dessus de tout le monde. Comme on dit dans le sud-ouest en France, on est le dessus Le champion est au-dessus de tout le monde, et c'est tout le coup. de la rivière. Je m'adapte aujourd'hui. suñu nee vieux bi mais yow sa làmb bi yàgg see ma bu ma mujjee mu ne bu ma ne ah làmb ba neexul woon de mais nag ba léegi waxul kan moo daal ak ah, kan moo daal ne làmb daal làmb ba daal neexul woon waaw foofu de euh, C'est en public, parmi les militaires. Mais pour Senghor, je n'hésiterai pas à dire encore quelques mots. J'ai dit ce matin que s'il y a une armée professionnelle, disciplinée, républicaine, qui n'a jamais pensé à prendre le pouvoir, c'est à cause de la vision de Senghor qui a envoyé des officiers en 1957-58 à l'université pour nous trouver, pour recruter les premiers Saint-Syriens qui n'ont jamais pris le pouvoir. C'est donc euh, sa vision qui ne voulait pas qu'on ait une armée ou un sergent du jour au lendemain devient colonel ou prend le pouvoir. Dans ce pays, on n'a jamais eu un chef d'état-major, parent de près ou de loin, au président de la République. C'est donc la méritocratie. On lui doit ça. En fin de compte, le combat de Senghor, c'est quoi De montrer que l'homme noir, la femme noire, a les mêmes facultés, les mêmes possibilités que le blanc, que les gens des autres races. Lorsque il a fait la, négritude avec les gens de la diaspora, c'était démontrer déjà que nous avions aussi un cerveau et une civilisation. C'est extrêmement important de le faire. Lorsque un noir, j'allais même dire un nègre, vient en France pour apprendre au Français la grammaire française et se retrouve à l'Académie française, c'est qu'il a aussi un cerveau, mais pas seulement des muscles. Je crois que c'est important que je dise ça. Senghor également a eu cette particularité, nous qui avons parcouru le monde devait d'être un président catholique chrétien dans un pays à 95% musulman sans qu'il y ait des problèmes. Et comme par hasard avec mon ami à côté, il est de l'ethnie sérère où on trouve dans la même famille des frères qui sont de même religion, de religions différentes. Les uns sont catholiques, les autres sont chrétiens. Et ça, c'est unique au monde. Je pense que c'est à peu près on oublie aussi, je pense qu'on l'a dit, que l'hymne national, c'est Senghor. Et il s'ouvrait à l'Afrique à ce moment. Je pense aussi que les femmes devraient applaudir Senghor puisqu'à décrire la femme noire. Et ça, madame... Il n'y a, pas que les, il a pas que les femmes qui applaudissent. Hein. J'ai vu tout de suite la mère de Dakar qui... Je crois que c'est tout ce que dit Actuellement, toujours dans la vision de saint Senghor, nous sommes tellement demandés du fait du professionnalisme de notre armée. Actuellement, nous avons trois contingents à l'extérieur, en RCA, en Guinée-Bissau, en Gambie, et nous avons un contingent qui vient du Mali. Aucun pays du monde rapporté à l'effectif de son armée n'a donné autant à l'indépendance, quand nous étions encore au Mali, le premier contingent sénégalais a été envoyé au Congo. C'est pour ça que je me suis particulièrement fâché lorsque quelqu'un avait l'impression de dire que notre armée est une armée de mercenaires. Nous allons pour aider les autres dans tous les pays pratiquement du continent et même de l'Europe. Et ça, nous le devons justement à cette vision de Senghor. Je vous remercie. Vous avez fait plusieurs fois. Simna Fop. Qu'est-ce que vous avez Amaya. Et je suis Léopolia Nilan. Léopold Fapa carré du président Sénégal. Bafiane Elkene, kene Serer, Waramou sereer waramu Imbok, meen Imbok, O sini sinik semo mak ten rimo ten yari ma hama juuf hama juufarimam o ma sinik semo mak dem sanjel sel selbe den mogu fap fayay dem selbenyadi arima bursin komando fen fandeb bursin komando fen fandeb arefo tabor kom

ñaareel bi dañu bokk lan moo tax ñu bokk suma maam Buur Siin Semo Maak ak Njem Selbe Ñaadi bi jur Buur Siin Kumandoo Fen ñoo bokk ndey ak baay te Buur Siin Kumandoo Fen taaboor la comme président Senghor mesdames messieurs honorables invités, à vos rangs, titres et grades, vous avez le salut hautement solennel de l'institution royale du Sine. Au nom de la population du Sine et à mon nom propre, je vous fais part de notre immense plaisir de participer au festival des cultures africaines noires et des diasporas organisé par l'Association pour le développement de Dilor, ADD cette cérémonie, en hommage au président poète Léopold Sédar Senghor, revêt un cachet particulier et symbolique. En effet, l'institution royale du Sine que j'ai l'honneur de diriger depuis le 8 février 2019 se donne comme obligation d'être présente à cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Les historiens et connaisseurs de la culture et de l'ethnie sérère peuvent comprendre le sens de mon propos. Léopold Sédar Senghor ou Léopold Diogoy Senghor ou Léo Yagnilan est d'abord notre compatriote Serrer, ensuite notre parent de la famille Tabor, au même titre que le Boursine Koumando Fandeb, enfin notre ambassadeur auprès du Concert des Nations. Serrer Bontin, Léopold Sédar Senghor, grammairien, écrivait en français mais pensait en serrère. Et même sa pensée politique tournait autour des activités principales de l'ethnie serrère que sont celles des trois P. Paysans, pasteurs, pêcheurs. En outre, tous ses écrits tournaient autour de l'environnement serrère, du culte et de la culture, le chant, la danse, les libations, des pratiques sportives serrères telles que la lutte traditionnelle. Le conservateur l'a dit tout de suite. Même à la tête du Sénégal comme président, Léopold mettait en avant la doctrine serrère, une éthique centrale et transversale, capable de dialoguer avec toutes les ethnies du Sénégal et de la sous-région. Cette culture de la paix, du dialogue, du comment vouloir des vies communes incarnée par notre compatriote semble être le socle de l'exception sénégalaise est inventé partout dans le monde. Parler de Senghor, c'est ainsi parler d'un membre de notre famille, en ce sens que Léopold Sédar Senghor est le neveu ou le cousin, pour certains, du Boursin Koumandofen Fandeb, ce célèbre loi qui a témoigné en faveur de Cheikh Hamadou le 3 juin 1907. Certains détenteurs de la tradition se contentent de dire que Senghor et Boursine Koumandofen étaient en tout cas de la même famille. Voilà pourquoi notre présence à cette cérémonie est à la fois une marque de reconnaissance vis-à-vis de notre compatriote sérère et un devoir parental pour nous. Nous avons donc le devoir vital et moral de rendre un hommage mérité à Sédar Senghor. Ceux qui comprennent la langue sérère savent que Sédar signifie celui qui n'aura jamais honte alors le fils de Djogoy, le lion, patriarche de Dilor et de Nilan Bahum, n'a jamais baissé les yeux devant ses pères, devant toute l'humanité. C'est pourquoi notre fierté vis-à-vis du poète, premier président de la République, est immense et incommensurable. Je ne voudrais pas faire des jaloux avec nos parents Alpolar et Diola, mais il semble que c'est l'air que Senghor, avait pour mission de les civiliser, de les moderniser. On raconte souvent que Senghor avait l'habitude de remonter les bretelles à ses ministres, surtout al Alpoular et Diola, dont la mise laissait à désirer. Bref, Senghor était un homme au vrai sens du terme. En serrère, je disais, je dirais, président Senghor, okinopar, Arefou, c'est-à-dire une bonne personne une personne éprise des qualités les meilleures. On serre bon train, mais on chante de l'enrichissement de l'ouverture. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans remercier chaleureusement l'Association pour le développement de Dilor, initiatrice de ce festival, mais surtout notre frère Mamadou Mian Diouf, qui a tenu à ce que je sois là Remercier également tous ceux qui ont participé à ce projet, les partenaires, les parents, les sponsors, toutes les autorités religieuses et coutumières, sans oublier la presse. À tous et à toutes, je souhaite un excellent festival, séjour de rêve en pays serrère, dans le signe, royaume d'enfance du président Léopold Sédan Senghor. Je vous remercie de votre aimable attention.

je crois que xale yi ci roy am na jafe-jafe yu bari yoo xam ne ñu ngi koy dund je crois que duñ ci àgg. Euh, di nuyu monsieur le directeur bi nga xam ne tey moo ñu dalal ci euh, fi ñu nekk di nuyu monsieur Senghor euh, di nuyu monsieur Mignane témoignage yi ñu def ci moom je crois que rafet na trop. di fàttali ne ville de Dakar monsieur le maire tey bi nga xam ni empêchement la moo tax teewu fi di ko méttilu nag délégation bu am solo la fi envoyé me dit ko en tant qu'adjoint au maire en charge de la culture et du tourisme Je aussi ma monsieur le directeur Matar Diaw je crois que tout kuy acteur culturel au niveau du département de Dakar xam le ko te ànd nga ak moom je ak avec monsieur le directeur des arts monsieur Ibrahima Cissé ak euh, Ange Sarr Nous ñu fekk fi nous suñu kilifa muy madame le maire Soham El Vardini. Je day day témoigner rek euh, wax ji may <laughs> <laughs> madame la maire tay fi ma tok tay mo fi waroon tok. ndax elle représente elle continue à représenter valablement et dignement le la ville de Dakar Domam muy monsieur le maire Barthélémy Diaz euh, dañ ko wara sargal ndax sargal bi ñun dañ ko dañ ko succéder au niveau de la ville de Dakar mais dañ fa ñëw fekk madame la maire baliser ñu terrain bi ba motax tay monsieur le maire Barthélémy Diaz tay fekk fi des voies tracées yoo xam ne tey bi mu ñëwee lépp dafa yomb yomb ci moom kon ñu ngi sargal madame le maire mi nga xam ne moo ñu liggéey liggéey bu rëy boobu xam ne bi fi ñëwee aussi marqué na ses empreintes au niveau de la vie de Dakar donc merci beaucoup madame le maire tey aussi mu am benn aspect bu particulier boo xam ne am na ci salle bi muy euh, doomu Yandé Codou tey bi nga xam ne accompagné na tey bés bu màgg bi ndax je crois que Senghor ci boppam am na fu mu tegoon Yandé Codou

la ville de Dakar est très honorée d'assister au nom du maire, l'honorable député Mouchabati Barthélémy Toïdjaz, à ce prestigieux événement qui célèbre l'anniversaire de notre défunt président poète Léopold Sédar Senghor. Homme multidimensionnel, chante de la négritude, premier Africain à être reçu à l'agrégation de grammaire en 1935. Le président Léopold Sédar Senghor et le bâtisseur de la République du Sénégal. Élu député au Parlement français en 1945 et réélu à plusieurs autres reprises, le président Poète a, eu, a occupé plusieurs autres postes et responsabilités dans le gouvernement français de l'époque en 1945 à l'accession de notre souveraineté nationale en 1960. Poète émérite, L'homme de culture organise en 1966 à Dakar le premier festival mondial des arts nègres. Médaille d'or de la langue française, Grand Prix de la Société des poètes et artistes de France de la République française en 1963, Médaille d'or du mérite poétique du prix de Hamas Joël de 1945, Grand Prix international littéraire rouge et vert en 1966, Prix littéraire de l'Académie internationale des arts et des lettres de Rome en 1969, Prix international de poésie de la Biennale de Nord-le-Zout en 1970, Prix Guillaume Apollinaire en 1974, pour ne citer que ces distinctions sur le parcours exceptionnel de cet homme de l'art. Le maire de la ville de Dakar s'associe à la communauté des poètes, hommes de lettres, des arts, de la culture et de sa famille biologique pour immortaliser en ce jour d'anniversaire l'œuvre gigantesque à cet homme au parcours exceptionnel. Les rencontres poétiques dernièrement organisées dans ce musée dans le musée historique qui porte son nom par un de ses plus fidèles disciples, l'âge Amadou le poète le plus doué de sa génération, est une parfaite illustration de la dimension internationale du président poète Léopold Sédar Senghor. Je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage à la qualité de la préservation de ce précieux legs symbolisé par des hommes et des dames professionnels et très engagés, une inspiration vivante pour les générations actuelles et futures. Le maire et son conseil municipal demeurent fermes à vous accompagner, à magnifier l'œuvre du défunt président poète Léopold Sédar Senghor. Donc nous déclarons officiellement ouverte le festival culturel africain et de la diaspora noire en hommage au président Léopold Sadar Senghor. Je vous remercie de votre attention. Euh, ma présence à cette journée, elle est symbolique, mais également c'est un attachement à la parenté. Symbolique parce que c'est pour le président Senghor, de la communauté serrère, mais également parce que c'est un parent. c'est le Boursine Semomak qui est mon grand-père. Boursine Semomak et ont le même père et la même mère. se trouve être la maman au Boursine Commando Fendep. C'est un tabord comme le président Senghor. Donc euh, cet anniversaire est un anniversaire pour la communauté serrère, mais également pour la famille des Tabors. C'est ça qui justifie ma présence dans cette cérémonie. Mais il se trouve également que Mamadou Mignon Senghor, Mamadou Mignon Diouf, pardon, est un parent, un frère. Quand il organise une activité comme ça, je me dois d'être présent. Que pouvez-vous retenir donc du président Senghor Ce que j'ai retenu du président Senghor, c'était d'abord, c'est un homme de culture. C'est un homme de culture. Et il disait que la culture est au début et la fin de chaque développement. Senghor est une icône pour le Sénégal, pour l'Afrique, mais également pour le monde. il doit servir de référence pour les jeunes que nous sommes, mais également pour ceux qui sont plus jeunes que nous. Surtout avec cette perte de valeur. Le président Senghor est un exemple, un exemple que les jeunes doivent connaître et doivent imiter dans ses actes de tous les jours. Merci. Alors, euh, euh, quelle, appréciation faites-vous euh, de son œuvre Vous parlez de son œuvre ce sera difficile parce que moi je suis un scientifique. Mais Kasselan cela nous avons quand même euh, étudié Senghor quand on était encore plus jeune. Mais vous parlez de son œuvre, il me sera très difficile de vous parler de son œuvre en tant que scientifique. Je laisse ça à, à mon frère Racine Senghor qui se trouve être un homme de culture, mais également qui s'intéresse beaucoup à la poésie. waaw jërëjëf euh, man defe naa mën naa wax ci wolof ni mu ko waxee léegi euh, bés bi tey dafa nekk ci ñun bés bu bu màgg bu am solo ndaxte dañuy euh, dañuy màggal ku màgg muy Léopold sar Senghor tey jii nekk bés bi nga xam ne ci la génnoon àddina que fàttaliku di ko fàttalikoo nag fii ci musée des civilisations noires nga xam mom moko moo bo xalaatoon boobaak ak ay moromam li téré mo moo téeméeri at sorewul mais surtout mu gën ko développé ci 1956 59 1966 mom moni ni bëgg nañu def musée des civilisations noires bi ma am fi tay ablay Wade tek première pierre bi Macky Sall président Macky Sall après président Abdoulaye Wade président Macky Sall tabax ko inauguré ko kon tay bu ñëwé fi di fi wax affaire Senghor fay nekk lu reuy ci ñun nekk bëss bu am solo Senghor nek euh, bésam bii bi koy commémorer dafa nekk bëss bu ñuy fàttaliku li mu def mais dafa nekk bëss bo xamné dañuy xalaat li nga xamné mën def bu ñu sukkandikoo ci li mu fi euh lolu moy ñu di wax léegi œuvre bi limu bind bàyyi ko fi limu mu jëf ci walu politique limu def pour que Sénégal bi nga mo fi jëkk nek président de la République nek état bu bu deuguer bu am ay institution yi dox ba tay ji général bi wax na ko sànq boo militaire xol li xew ci réew Afrique yi nga xam Senghor li fi liggéey nu mu ban dayoo la am mu nekk koo xam ni dafa fonkoon lool cosaan ak aada je ko nak bour wax nako ko ci tradition village yi nga xamné fa la màggee muy le cœur du signe. ci œuvre mi c'est daf koy woy wax le royaume d'enfance mooy le signe. lam fa jang mom la développé partout parce que mom la gis aussi ci yeneen réew yi Senghor dafa théoriser continuité culturelle sur toute l'Afrique Lolo, motax

pour wan xale yi ak mag ñi fi nekk mais surtout xale yi ni réew mi dafa yàgg mu ngi tudd léegi ay buur buur siin ko ñeneen ñi leen jiitu réew mi dafa yàgg ñu yàgg doxal si ngor ak teraanga ak jom ay valeur valeur yooyu Senghor daf ko fàttali toujours loolu lañ war di fàttali xale yi ak jom ak liggéey parce que liñ taxawal ñoom jom ak liggéey rek moo ko taxaw di jom muy nga fàttaliku ne am na foo bokk te waruloo def loo xam ne daf la war a jomb ku nekk am na lu ko jomb loolu dafa nekk aussi ci valeur yi senegal nag dañ ko war a tabax tey jii ñëpp dañ war a fàttaliku ne ñun république la ñu nekk nation am ay nawle ñëpp dañu roy parce que Sénégal royukaay la bien Senghor ak ñu ko jiitu loolu nii mën nañ bëgg a def te jii fii ci musée des civilisations noires nga xam ni Senghor moo ko xalaat ñu fiy sigil nit ku ñuul doomu aadama yëpp nag parce que fii ni ko Senghor bëggee woon boo fi ñëwee di nga digg si visiter di nga gis ne ay Picasso ay ay yeneen grands hommes ñëw nañ fii ñu def leen fii teraanga yu yu rëy a rëy woon ko àddina bi te daal dañuy commémorer ne dañ koy def nak comme ni dafa les festins funèbres fumant du sang des troupeaux égorgés ah lu mu koy mais dañ koy ci nit parce que ki fi wor wóor né ne wu fi mu ak ñun mo ngi fi lim fi bayyi lim fi def ñu kon ni un rappel Au Boursin les veillées de saint à Djilor la dernière visite du Boursin à Djilor gor se rappelait de cela c'est pour cela il disait le Boursine Le fait voulait tailler son manteau royal à Djilor les femmes grappaient sur les nattes les pagnes pour l'installer, pour l'accueillir. Ça, c'était la dernière visite Boursin à Gilor. Euh, on ne peut pas ne pas vraiment vous remercier. Ah, votre présence a été très honorable mhm. parce que c'est un rappel, c'est un souvenir. Vous avez suivi les pas de votre grand-père, le Boursin. C'est pour cela votre présence ici dans le musée. Je dois. ci bisum delloo njukkal boobule ay kilifa diine aada ak politique yu takku teewee nañu ko daanaka kaddu ji benn la woon Léopold Sédar Senghor borom xam-xam bu mag la woon eh, ku bugoon senegal ak Afrique wante it ku xeexaloon nit ku ñuul ngir àdduna bi jox ko cër yi mu yelloo